Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information en français sur le studio Kalangou. Il est 18h. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue. Présentation, Nefis Adam Sirfo, à présent les titres. La rentrée universitaire ce matin à DIFA, l'occasion pour le recteur de cette université de se féliciter du bon déroulement de l'année académique écoulée malgré le contexte sécuritaire dans la région. Les étudiants et élèves de la ville de Zender dans les rues de cette ville ce matin, les forces de l'ordre ont lancé des grenades lacrymogènes, récit d'un témoin dans quelques instants. Aujourd'hui, 1er novembre, le Niger, à l'instar des autres pays d'Afrique, célèbre la journée africaine de la jeunesse. Enfin, l'épargne informelle ou tontine au Niger, c'est le thème de notre magazine de ce soir l'université de Difa a effectué ce matin sa rentrée académique officielle en présence des autorités administratives et coutumières, le corps enseignant et les étudiants. À cette occasion, le recteur de cette université, le professeur Ali Maman, s'est réjoui du bon déroulement de l'année académique à écouler avec le soutien des autorités et parents d'étudiants, et ce malgré le contexte sécuritaire. L'université de Difa, même, on a commencé nos activités le 6 février 2015 à la maison des jeunes de Difa. Quand Boko Haram avait attaqué Difa, le gouverneur nous a dit de nous déplacer à sa résidence pour suivre la présentation de l'université. Et tout s'est très bien passé comme activité académique ici à l'université de Difa. On félicite euh, l'ensemble des enseignants, les étudiants, les familles des étudiants qui ont accepté pour les étudiants venir euh, poursuivre leur étude ici. L'année passée, nous avons euh, évolué avec une centaine d'étudiants. Au total, pour ces trois sections, nous avons une centaine d'étudiants. Avec la rentrée en cours, nous avons suffisamment d'étudiants. Nous remercions en tout cas les familles qui acceptent de venir étudier leurs enfants ici. La dynamique est très bonne. La zone est très sécurisée. On a le soutien des autorités administratives, politiques euh, et coutumières. Le recteur euh, de l'université de Difa, Ali Mamana, euh, au micro de Moussa Hassan. La rencontre hier entre le syndicat des enseignants-chercheurs à section de Maradi et le gouverneur est infructueuse et n'a pas abouti à l'objectif à rechercher, celui d'amener ses enseignants à reprendre les cours. Pour le secrétaire général du SNEX, euh, Dr Ali Hamadou, les revendications ne sont pas basées uniquement sur le paiement de leur salaire et primes de recherche. Pour lui, il y a un amalgame total dans les revendications du du Bensnex et celle spécifique à l'université de Maradi. Explication avec Dr Ali Hamadou, secrétaire général du SNEX au micro de Mohamed Maman. À l'université de Maradi, nous, nous avons déposé un préavis de grève depuis le 30 mai. Le mouvement national a commencé en septembre. J'allais dire que c'est la grève de Maradi qui a donné naissance à la grève nationale. Nous, au niveau de Maradi, jusqu'à preuve de contraire, je mettrai au défi qui que ce soit qui va nous prouver que nous avons posé des problèmes de salaire ou de primes de recherche. Il n'a jamais été question de cela. Nous avons posé des problèmes de gouvernance pour que les institutions ou les organes délibérants, en premier lieu le conseil d'université, soit mis en place. Parce que depuis trois ans, 2014, 2015, 2016, pratiquement à la même période, nous vivons les mêmes problèmes. Nous avons dit que trop, c'est trop. Il faut que ça s'arrête. Et deuxièmement, les arriérés que nous traînons pour certains depuis 2011, nous avons dit il faut qu'on les paye. La grève est maintenue jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé ou que les points que nous avons, le consensus que nous avons eu à faire par rapport à, ce préavis de grève-là, que ce consensus-là soit mis en œuvre. Éducation toujours, les étudiants et élèves de la ville de Zander sont sortis ce matin pour une marche qui se voulait pacifique. Ils ont été dispersés par les forces de l'ordre qui ont lancé des gaz lacrymogènes. Ils se sont tout de même rendus en ville où des pneus ont été brûlés sous les grandes voies. Tout cela s'est passé non loin du complexe scolaire privé Bachar Bouzou. Écoutons le témoignage d'Abdou Salam Hamissou, proviseur du dit complexe au micro d'Ali par la proximité géographique. Nous sommes en plein cœur d'événements. Euh, ici sud, il y a l'école normale et à l'ELAKD, ce qui fait que tout ce qu'on envoie comme euh, gaz, lacrymogène, gaz lacrymogène, vraiment tombé ici. Et quand les opérations d'intervention avaient commencé comme ça, ici vraiment c'était une situation indescriptible. Les enfants, en tout cas tout le monde, euh, surtout les enfants de première tombaient. J'ai tenté de, un peu d'asseoir l'ordre pour leur dire de, n'aller nulle part le temps que ça passe. Bon, malheureusement, vu l'intensification des jets de gaz lacrymogène, euh, la panique a gagné tout le monde. Les enfants couchaient comme des mouches. on prenait certains mois, je ne me rappelle pas exactement euh, combien d'enfants étaient tombés. J'ai pu mettre certains dans mon bureau. Je prenais de l'eau pour pulvériser à l'air dans le bureau et ailleurs même dans l'espace pour un peu euh, assécher. Mais malheureusement, Vraiment, c'était le comble de malheur. À noter que plusieurs manifestants ont été interpellés et conduits dans les locaux du commissariat de police. 23 blessés, dont 19 manifestants et 4 policiers ont été évacués à l'hôpital. En bref, à Agadez, depuis plusieurs des patrouilles mixtes composées de tous les corps de défense et de sécurité sillonnent la ville et effectuent des perquisitions dans certaines maisons. Les armes à feu sans permis de port, les véhicules sans plaque ou avec des vitres teintées sont automatiquement saisis. Le président de la République, Issifou Mahmadou, a reçu hier en audience le chef de commandement militaire des États-Unis en Afrique, l'AFRICOM, et l'ambassadeur des États-Unis au Niger. Des précisions avec Tarnan Foudey Ahmed. Devant les ministres de la Défense nationale et le haut responsable de l'armée nigérienne, le général World Hodder a indiqué qu'il est venu au Niger pour évoquer les questions sécuritaires, surtout le terrorisme qui prend des proportions inquiétantes dans notre pays. La création d'AFRICOM en 2008 a été précédée de polémique sur les véritables intentions américaines sur le continent africain. D'aucuns voient en Africom l'expression de la volonté américaine d'établir des bases militaires sur le continent. Pour d'autres, ce commandement s'inscrit dans le soutien américain au renforcement des capacités africaines de maintien de la paix amorcée depuis 1996. La visite du commandant en chef de l'Africom à Niamey intervient au moment où le Pentagone va investir plusieurs millions de dollars pour la construction d'une piste d'atterrissage de drones américains à Agadez dans le nord du pays, à la frontière de la Libye et de l'Algérie. L'Agence française de développement AFD a expliqué ce matin à la presse nigérienne ses domaines d'intervention à l'occasion d'un petit déjeuner de presse. L'AFD est un établissement public qui gère les fonds mis au service de la coopération française avec les pays moins développés. Parmi les points évoqués ce matin par le directeur de l'AFD pour le Niger, Philippe Renault, la contribution de l'agence à l'édification du barrage de Kandaji. L'AFD intervient à trois niveaux euh, dans Kandadji. Ce qu'on appelle le développement socio-économique euh, des communes qui sont impactées euh, directement ou indirectement par la construction du barrage. Donc ça c'est un projet qui est en cours, c'est un projet de 14 millions d'euros. Donc il vise à appuyer en fait les communes dans l'élaboration de leurs plans de développement communaux et puis la mise en œuvre avec un, enjeu particulier sur les questions pastorales. Donc nous intervenons sur le développement local, nous intervenons sur la centrale hydroélectrique cette fois aux côtés de la Banque mondiale, à hauteur de 50 millions d'euros. Et puis nous interviendrons l'année prochaine, je le disais, j'espère, euh, à travers le financement de ce qu'on appelle les périmètres irrigués. Vous savez qu'il y a un objectif absolument euh, considérable d'irrigation à l'horizon euh, de moyen long terme. Hein. Nous voulons contribuer à la création de ces périmètres irrigués en aval du barrage pour un montant de à peu près 25 millions d'euros. Donc voilà les trois interventions de l'AFD sur Kandadji. Philippe Renaud, directeur de l'AFD Niger au micro de Habib Bougarba. Le Premier ministre Brigitte Raffini a présidé hier au Palais des Congrès de Niamey la cérémonie officielle de lancement des travaux de la table ronde du programme du développement industriel inclusif et durable. Cette table ronde avec le système des Nations Unies, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers se veut le point de départ d'une nouvelle dynamique industrielle au Niger. Les jeunes volontaires pour l'environnement organisent aujourd'hui et demain un forum sur le climat au centre agrimètre de Niamey pour mobiliser les jeunes sur les questions environnementales et discuter des acquis de la COP 21 et des enjeux de la COP 22 qui se tiendra la semaine prochaine au Maroc. Sani Ayouba, directeur des, jeunes volontaires pour l'environnement au micro du Rayla Toussoumana. Nous avons voulu réunir la jeunesse nigérienne pour parler des réalités du changement climatique au Niger vu par les jeunes. J'ai parlé également du lien entre énergie et climat et pour que les jeunes soient suffisamment outillés et qu'à la fin des travaux, qu'on puisse avoir la vision commune et faire des recommandations pertinentes pour permettre à nos décideurs ou en tout cas à tous ceux qui iront à la COP de prendre en compte les préoccupations des jeunes Nigériens. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour euh, attirer l'attention des populations face à, ce changement climatique Ce que nous faisons, c'est vraiment plus euh, sur les questions de communication d'abord. Nous avons lancé une campagne des mobilisations et des plaidoyers sur la thématique qui sillonne trois régions du Niger où nous travaillons avec les élus dans le cadre de l'intégration de la dimension changement climatique dans leurs programmes de développement communaux. Outre cela, nous faisons des débats communautaires pour prendre en compte les préoccupations et aider les communautés à mieux s'adapter. Parce que sur les questions changement climatique, on ne peut rien faire. Donc, soit on s'adapte ou on fait de l'atténuation. C'est pourquoi on aide à ce que nos communautés comprennent mieux ces questions de résilience et prennent en compte cela. Je l'annonçais dans les titres. Aujourd'hui, 1er novembre, le Niger, à l'instar des autres pays d'Afrique, célèbre la journée africaine de la jeunesse. À cette occasion, le Conseil national de la jeunesse CNJ a organisé ce matin une rencontre d'échange entre les autorités en charge de la jeunesse et l'ensemble des structures des jeunes. Ali Omarou, président du CNJ, au micro de Moutari Mahamadou. Cette année, c'est la promotion de l'intégration des jeunes comme catalyseur pour exploitation du dividende démographique. Cela veut dire euh, que la Commission de l'Union africaine demande aux États africains d'investir la jeunesse s'ils veulent tirer profit du dividende démographique. Conséquemment, nous pensons que au-delà des discours politiques, les États concernés doivent créer les conditions pour l'emploi des jeunes, pour la santé, pour l'éducation des jeunes. Parce que quoi qu'on fasse, quelles qu'en soient les ressources naturelles dont disposent nos pays, tant qu'on n'investit pas conséquemment dans l'éducation des jeunes, on ne pourra pas y arriver. Et mieux, c'est d'expliquer que euh, les dividendes démographiques s'expliquent simplement euh, du fait que euh, ceux qui produisent doivent être plus nombreux que ceux qui consomment. Mais malheureusement, chez nous, cette situation, elle est réelle. Ceux qui consomment sont plus importants avec le taux de fécondité, le taux de natalité qui est un record mondial que le Niger Donc il va falloir que la jeunesse se ressaisisse. Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook la page Facebook du studio Kalangu. J'aime et je partage. La partie magazine de ce soir, hier 31 octobre, était célébrée la journée internationale de l'épargne. Ici en Afrique, une autre forme d'épargne se présente, l'épargne informelle appelée communément tontine. Elle est le plus pratiquée par des femmes qui, selon elles, trouvent bien leur compte. Madame Hawa Bachir est responsable d'une équipe de tontine qu'elle a créée depuis 1984. Avec ses collègues de travail, elle nous explique comment fonctionne cette tontine ainsi que les avantages c'est une tontine de 50 000 francs. Une seule personne peut prendre 100 000, 200 000. Ça dépend de ce que la personne peut verser. Et celui qui ne peut pas verse 50 000 francs. Et nous arrivons parfois à avoir jusqu'à 2 millions, 1 million. Ça aussi, vous savez, une tontine, tout dépend, je dis, du nombre de personnes adhérentes. Présentement, j'ai 11 personnes, ça fait 1 million 50 000 francs. Le versement s'est fait en fin de mois et nous avons un délai jusqu'au 5 du mois prochain pour faire le versement. Donc au plus tard, le 6-7, il faut que la personne ait sa tontine. Est-ce qu'il y a des règlements euh, à respecter Oui, il y a des règlements. Parce que si tu sais que tu ne peux pas continuer, il faut même pas commencer. Parce que moi, quand je prends une personne comme membre de ma tontine, je te mets toujours en dernière position. Parce que je ne peux pas savoir ta capacité ou bien ce que tu peux faire. Et c'est par virage. On met le nombre de tout le monde et tout le monde tire. Donc le numéro, tu prends le numéro, si tu as le 2, tu es en deuxième position. Si tu as 10, tu es en dixième position. Et les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est parfois, vous savez, rassembler une tonté, c'est tout un problème. Il y a des gens qui sont un peu difficiles. Je vous assure, j'ai eu pas mal de problèmes. J'ai compté 1 500 000 francs. J'ai compté et recompté. Je l'ai remis à la personne, mais je n'ai pas attendu à ce que cette personne compte l'argent en ma présence. Et après avoir euh, passé quelques heures, elle revient me dire que la tontine est complète et il manque 10 000 francs. Ces tontines, quels sont euh, leurs bienfaits En tout cas, moi qui suis ici, j'ai tout eu. C'est à cause de la tontine que j'ai fait des années sans ouvrir un compte au niveau des banques. Quand je prends mon argent, je verse en tontine, je sais que c'est une façon d'économiser. Et j'ai eu tout, je vous assure. J'ai eu à construire, même mon premier pèlerinage. C'est avec euh, la tontine que je l'ai effectuée. Donc, euh, si on dit que c'est informel, non. Bon, c'est informel parce que nous n'avons pas le NIF ou quelque chose. Pour la tontine, on n'a pas besoin de NIF. Pour la tontine, on n'a pas besoin de chercher quelqu'un. Si tu veux adhérer, tu adhères et on continue et on le fait ensemble. Ce journal est à présent terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez à l'écoute du forum du studio Kalangou qui reçoit un invité aujourd'hui. Il s'agit du docteur Mamani Hima, consultant santé et environnement. Ils débattront de la question du paludisme avec Djello Kenda Mariama.